c'est bizarre hein mosu Kogisti, ko communiqué. ci aucun communiqué ñu grève de la faim c'est pour obtenir sa libération immédiate dafa def grève de la faim parce que il y a des problèmes réels pour les détenus politiques C'est Saliou mu ngi koy wax sànq Rebeuss toog nañ une longue période à ndox on a parlé d'une épidémie de gale des gens sont maintenus six mois huit mois en détention nit dof dafa jekki nous ñu arrêté ko jekki-jekki ñu ko absolument ça, je suis d'accord. Donc, Ousmane Sonko fait def grève de la faim pour soutenir ñooñu d'abord. Mhm. Moi, je il est dans l'émotion dafa Ousmane Sonko soxlawul émotion. pour émouvoir les gens montrer toj ngeen avec des forces de l'ordre il n'a pas bougé de sa voiture. il n'a pas besoin de ces petites mesquineries politiciennes essayer d'émouvoir euh, le le qui là il n'est pas là pour achalander l'électeur hein quand il se bat il se bat dignement li un il veut soutenir les détenus politiques parce que la répression bi ëpp na Falla Fleur gis ngeen ko mm-hmm. war libérer war ko libérer après trois mois créer wat ko beneen mandat dépôt c'est ce mécanisme là la ni lii donc il paye de sa personne pour les détenus politiques et parallèlement à ça il a missionné le parti chemin de la libération képp kuy détenu ñu seeti sa parent sa famille qui mhm. jëndal leen ay fourniture scolaire bañ donc c'est un combat éminemment politique l'autre élément moi moi wax il veut retourner en prison dafa bëgg quitter pavillon spécial la prison moo je suis étonné par vos analyses euh, un peu à la un peu voilà c'est bizarre quoi c'est que vous lui prêtez des intentions comme si moi il est dans son coffre quest nga que la grève politique la grève de la faim. Rachid Ranouchi. C'est très sérieux la grève de la faim. 82 ans là, mhm. il y a un mois il a entamé une grève de la faim pour faire la répression politique. les Mohamed Morsi les ñëpp pas de grève de la faim. Mm. pour des fins à des fins politiques. 82 ans. s'il entame une grève de la faim il a encore ko des conseils? parce que répression il veut mettre fin à ça pour marchander avec Macky Sall vous devez toujours parce que c'est un logiciel Le virus est infecté jusqu'à aujourd'hui Ousmane Sonko n'est pas dans un esprit transactionnel Moi ak Macky Sall du ko ñaan du ko saraxu du ko yalwaat ngeen gëm ko un deuxièmement adina du Yag, ba mu émouvoir Macky Sall pour mu yeureum ko wala dar jamais de la vie le combat politique c'est pour les autres grève de la faim bi tous les militants bien entendu te du mhm. Hannibal il a la grève de la faim il avait perdu 27 kilos 27 kilos si vous croyez que que ce régime est totalement indifférent au sort de Ousmane Sonko pour nous. Oui, mais le combat. je dis juste que mais pas Amadou, le combat, je pense que euh, euh défendre, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de méthode aussi mmh. Parce que défendre une, une mmh. première fois, mmh. on a vu ce qui s'est passé. Refaire ça une deuxième fois, est-ce que Dina a justement gain de cause par rapport à tout ce qu'il veut défendre Il a une chose, une globalité. Bon, nga bu ngeen koy def ay analyse comme qui li mu wax dafa Ousmane je m'appelle Alioune Alioune Sol. Alioune Ahmed. <laughs> mais nga xam il il il contourne mais après on reviendra sur ça. <laughs> tu n'es pas le bâtonnier. Hein. dañoo dañoo xaw a mel ni. Mhm. un objectif court-termiste. Ousmane Sonko c'est l'ensemble de ses droits. oui. que ce soit sur le plan judiciaire gis nañ affaire radiation bi comment ça s'est déroulé. et on va y revenir ça. je pense que dinañ ci mhm, on va y revenir comment e. l'État mobilise les institutions pour empêcher sa candidature. donc ce n'est pas seulement ce petit objectif là pour émouvoir qui que ce soit.

Nous sommes ñu ànd ni ko président bàyyi. ok mais comme c'est lui qui a raison vous n'avez pas raison donc c'est pas grave il peut continuer yéen mënulu leen ko dara en réalité. Ah, non non mais vraiment vous êtes vous passez à côté de la plaque. ou volontairement c'est vrai que vous vous êtes le. là je comprendrai mais si c'est involontaire c'est que il faut nga nga nga ce logiciel Dès que nous lay waxaat. encore une fois yow yow li xew yow. Ousmane Sonko yow si ay ay ay fi rek clé avocat là moi je suis juriste de formation man nga tey tey am nañ tuuti expérience ci àdduna bi aussi. xam nga fi ñu jaar ah. fii li ma wax ay ah, yaay 6 mois sëñ Saliou mu ngi koy wax léegi. dégg nga xanaa logiciel am aussi dafa am dem nga xoolal tout le monde ah gis nga. déet dama xam ne kat li nga wax ni li nga wax ni moom laa wax mu ne mu ñu mu ñu attaqué ñun ñaar non mais fukki la non mais suñu logiciel non yow yow xam ah, non dama lay expliquer ñun xalaatuñu man xalaatuma Ousmane Sonko je dis juste que c'est pas une bonne idée man xalaatuma lu muy xalaat la neexee man xalaatuma loolu xam nga yow say idée non ci Ousmane Sonko say idée yaa ngi wax données personnelles fii toog nañ plateau man ak yow nga ni xam nga terrain yi Ousmane Sonko yor. waaw maa ko waxoon waaw wallaay yaa ngi changé wax bi te pourtant man du ma wax lu amul. <laughs> te tey jii suñ la yóbbu woon tribunal. ma yóbbu tribunal depuis keroog dama am buzz ci Sénégal non man bii loolu ma waxoon Amadou Amadou Amadou Amadou loolu ma waxoon. yow nee na Aïcha mu ngi mel ni ma toog naan ah, nee na Aïcha am nga ñetti am nga ñetti boor ak ngeen jamaa waaw tey jii foo ko teg. waaw man maa xool loolu. xam nga li nga wax pourquoi mu grave. waaw parce que Ousmane Sonko bi muy def élection présidentielle. waaw il a fait sa déclaration de parti. waaw c'était faux c'est faux. am na lu ko manqué. waaw te nga ni Macky Sall mii rey boppam ci radiation bi. su amoon lu toll ni centimètre carré bu Ousmane Sonko. waaw

am lu meuna gën ci Ousmane Sonko. ñu gën ci Ousmane alors on revient au débat xam peut-être mënal la inter mais mënal sa bañ a intéressé. on ah, revient au débat xam nga euh Seigne euh, sëñ Saliou di euh, waxé la même chose. xëy lool loolu dina la intéressé parce que ya ko wax ah, yaa ko wax fi ya ko wax dama bëgg mu leer. non j'ai obligé tout ko non j'ai obligé. non parce que pour le moment non non deux man ak maître non deux logiciels ne sont pas bons. mais arrête arrête arrête arrête d'être ah, auteur quoi. alors laissez-le terminer. te te te am na lu bari lu ñu mënte mënoo ko. xam nga tay moom bu toogee nii <laughs> il va distiller la bonne parole wala de bons conseils pour Ousmane Sonko damay fàttaliku fêtes, rek avec des amis pareils soxlawul muyut ay adversaires ak ennemis defal ndaag ma wax la Ousmane Sonko nee naa la la grève de la faim c'est pas terrible c'est hein, une arme politique boo xamante c'est pas pour son dossier personnel nekku mais. n'est pas d'accord mais on va y revenir. pour d'accord d'accord d'accord d'accord très bien

c'est-à-dire il y a une situation de non droit à Bohamni. il li se y a d'autres pas que le gouvernement va poser encore on n'est pas dupe de cela L'acharnement acharnement bi radiation acharnement militants cette affaire là quand même on on n'a jamais essayé de compter sur la communauté internationale néanmoins tous les journaux quand même mhm. à l'international les plus grands journaux à l'international

ñun c' est pas ça y a ñu intéressé encore une fois. mais mais man intéressé wu merci beaucoup man man non du question. d'accord accord alors. Euh, léegi daal li ma la bëgg a wax foofu mooy. allez-y Amadou terminez par là il y a trois problèmes bi wax. Mhm. te Ousmane Sonko c' le fondement de sa grève de la faim. il faut que les détenus politiques notamment les femmes yi que Liberté 6 que l'administration administration jël cas. on ne peut pas emprisonner moom dégg xam ko moom ni. Mhm. ces femmes là sont poursuivies pour ah. un mot. la Fleur lu ñu koy toppee le hashtag maintien rek. Mhm. on veut qualifier ça en appel à l'insurrection maintien rek maintien rek. lan lañ jàppee femmes de dossier kenn nga ubbi xool lan pourquoi on emprisonne les gens six mois après on les libère sans même jugement. est-ce que l'on peut continuer Ousmane Sonko se bat pour les autres le volet bi mouy la grève de la faim mais l'autre mooy missionnaire na parti bi ils sont en train de sillonner le pays pour assister les familles et parents de détenus. Très bien. Donc, loolu est un objectif. Mm. Et puis, progressivement, pour empêcher ce projet euh, gouvernement de mobiliser ses ressources et ses institutions pour empêcher sa candidature. Pour, pour, pour écarter un potentiel peut-être candidat euh, ci ce qui s'est passé ci ci e alors avec tout ça déjà son état de santé qui est là que nous on a entendu son son avocat il y a eu cette histoire avec DG est-ce que ça donne pas raison aujourd'hui à ñi que éliminer ou le pousse un potentiel candidat maître. oui euh, avant de venir à cette question je <coughs> euh, bëgg rectifier Amourba Ba Amadou Ousmane Sonko se bat uniquement pour les détenus dans les autres prisons mais Ousmane Sonko la le poste qu'il a fait je l'ai sous les yeux il passe Facebook mais wax ah. également c'est pour lutter contre sa détention arbitraire et pour lutter contre ses droits électoraux ah, je l'ai sous les yeux qu'est-ce que j'ai dit c'est parce que tu as dit. Ousmane Sonko grève la fin pour uniquement il a dit pour moi, uniquement oui c'est plus global parce qu'il y a ces droits électoraux aussi qui sont en jeu très clair Ousmane pour c'est pour soutenir les détenus

C'est non, je ne pas je pas son compte. Non, pas important. Mais si vous, si vous pinaillez sur ce Lingawa de Sonko, def l'a fait pour moi, pour ça détention arbitraire et dañ ko bëgg ses droits électoraux. mais c'est ce que je dis non non c'est pas ce que tu as dit. c'est pas c'est pas vrai non mais yéen yéen daal non y a cinq minutes là la yéen vous l'avez soutenu dans tout. puisque vous dites que c'est un combat politique Nous tax du ngeen ko soutenir ci aussi bu dee c'est un combat politique. Nous tax da ngaa gis ñu soutenir wuñ ko. yow ci grève la fin. soutenir comme c'est-à-dire. nga challenge comme ni nga doon challenger ci yenn nga def grève la faim comme moom c'est ça un soutien politique. bi ñu jàppee Ablaye Balde rapprochez-vous bi ñu ko inquiété lan nga def. nga ne Ablaye Balde bi ñu ko inquiété. <laughs>